le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont l'adoption du budget général 2021 équilibré en recettes et en dépenses à 2644,53 milliards de francs CFA. C'était mardi 1er décembre à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur l'adoption l'adoption euh, samedi 28 novembre à l'Assemblée nationale euh, du projet de loi portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes. L'actualité, c'est aussi la célébration lundi 30 novembre à Niamey de la journée nationale de la liberté de presse. Pour commenter et analyser euh, ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Elhaj Mahamadou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger. Niger Inter, Alhaji Mahmoud Souleymane, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant également. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par l'actualité à l'Assemblée nationale. Le Parlement nigérien a adopté mardi la loi de finances 2021. Ce budget général de l'État s'équilibre en recettes et en dépenses à 2644,53 milliards de francs CFA en 2021 contre 2514,40 milliards de francs CFA au deuxième collectif budgétaire 2020 soit une augmentation de 130,14 milliards de francs CFA en valeur absolue et 5,18% en valeur relative, rapporte l'agence nigériane de presse ANP sur son site. l'âge Mohamed Suleiman, quelle observation faites-vous au sujet de la loi de finances 2021 au Niger Merci. Euh, on constate que euh, d'année en année, le budget de l'État du Niger augmente. C'est qui est une bonne chose ou une euh, mauvaise chose euh, C'est une très bonne chose. Euh, maintenant, c'est pas ça l'essentiel. On constate également que il y a donc des paramètres, comme ils l'ont dit, exogènes qui ont peut-être un peu aggravé ou en tout cas boosté ce euh, budget. Ça veut dire que les besoins des citoyens euh, grèvent Non, même pas les besoins des citoyens, des éléments en fait euh, extérieurs. je veux dire, par exemple, le Covid, ils ont fait remarquer, le ministre des Finances a fait remarquer qu'effectivement, c'est un élément, il fallait tenir compte de cela. Il y a justement les éléments comme les menaces sécuritaires aussi qui grèvent le budget. Euh, mais je pense que, euh, à mon humble avis, ce n'est pas en fait euh, le volume du budget qui est important, c'est la qualité de la dépense. Que ce soit au niveau, par exemple, de, de, la santé, au niveau de, l'éducation, au niveau de la défense. Il est important, justement, c'est l'attente en tout cas des citoyens, que le budget alloué à un département qu'il y ait, en tout cas, les fonds puissent servir véritablement à, être, être utilisés effectivement dans les dépenses, euh, par exemple, euh, on a vu, euh, en ce qui concerne le matériel, par exemple, militaire, qui est un débat très, très actuel, que véritablement, il faudrait non seulement tenir compte des coûts réels, si c'est des véhicules qu'on va acheter aux militaires, il est important que les responsables de, de l'exécution du marché suivent vraiment le marché et aussi faire défendre les intérêts de l'État ce qu'on devrait avoir, par exemple, à 25 millions, ne faut pas l'acheter à 50 millions. Donc je voudrais qu'en fait, ces pratiques corruptives, euh, l'orthodoxie euh, financière qu'on qu dénonce, au niveau de l'école par exemple, aussi le matin scolaire, c'est la même chose. Donc le, plus important, ce qui vraiment intéresse les citoyens, c'est la qualité de la dépense. C'est aussi l'usage des moyens euh, donc, de l'État donc, euh, justement, euh, vraiment stoppant, en freinant, j'allais dire, euh, ces petits malins, en tout cas, qui créent des sociétés souvent fictives, on a vraiment cette panoplie de mauvaises pratiques. On pense que véritablement l'expérience de ces années doit servir véritablement à éviter ces écueils, à éviter en tout cas ces difficultés de gestion, parce que vous conviendrez avec moi, lorsqu'on a une école la qualité aujourd'hui de notre école, on, le constate, le taux de déperdition. Euh, donc, il va falloir vraiment que le peu de moyens qu'on utilise au niveau de l'école soient effectivement investis vraiment pour le bien vraiment de l'école nigérienne. Donc, moi, je pense que la, la, question, le débat sur le, sur le, sur le budget, <laughs> ce qui importe le plus, c'est véritablement les mécanismes, le respect des règles du marché, du marché public, en tout cas, que le contrôle, justement, ceux qui sont censés contrôler, l'Assemblée d'abord euh, en, premier chef, euh, la société civile, euh, les médias, en tout cas la justice, tous ces acteurs, en tout cas, je pense, sont interpellés que véritablement qu'on contribue à aider justement, à veiller. à, veiller. justement à ce que d'habitude on connaît, en tout cas, qu'on puisse vraiment mettre entre parenthèses, en tout cas, ces, ces mauvaises pratiques. je pense que c'est une crise de confiance de, confiance, euh, les gens pensent que le budget, tout simplement, il est fait pour servir euh, quelques malins. J'ai vu euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quelqu'un faisait un truc, il dit voilà. Le budget 100, alloué à l'entrepreneuriat. 121 millions, je pour le, pour le, de, jeunes et 176 milliards pour la, pour, présidence. Comme il ne veut pas comprendre que la présidence aussi, tous ces grands projets, des grands projets qui sont à la présidence c'est pas euh, la l'argent destiné vraiment à la consommation du président et de ses, collaborateurs. Donc, euh, vous voyez, en fait, je pense que tout simplement cela dénote un peu de l'état d'esprit, de crise de confiance qu'il y a donc, entre les euh, citoyens et, le gouvernement. et le Issa ce budget a été élaboré dans un contexte marqué par plusieurs chocs exogènes. Quelles peuvent être les attentes et les craintes des Nigériens vis à -vis de ce budget 2021 Merci Mokhtar, mais vous parlez de, de, ces contraintes, tout le monde le sait, c'est sécuritaire et d'ordre lié à la pandémie de la Covid-19. Mais ça, c'est pas seulement au Niger. Bon, pour l'aspect sécuritaire, ça, c'est tous les pays du Sahel qui sont confrontés à cela. C'est pour cela la part de la sécurité eh, prend plus de, de, de, de, pourcentage depuis quelques années. Mais ce n'est pas, comme l'a dit Alaï, ce n'est pas le fait, le montant qui intéresse les gens. Non. Moi, je me rappelle en 2011, quand le président Youssouf a été élu, il avait promis au Nigeria une chose, l'efficacité de la dépense publique. Où en est-on Il suffit pas de dire que non, on a alloué quelques euh, quelques millions ou bien quelques milliards. Non, on veut savoir ce qui intéresse les Nigériens. On veut savoir ce que eux, lui, il a promis, comment ça se passe. Est-ce que si ces 5 milliards qui est promis à l'éducation, ces 5 milliards seront exactement injectés dans l'éducation Et on va évaluer l'impact dans la santé, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tous ces secteurs sociaux de base, aujourd'hui, sont en train d'être délaissés au profit de la sécurité et, du paiement, et du paiement de la dette. Ça, il ne faut pas l'oublier. nos pays se sont engagés à respecter des engagements au niveau international. Le respect pour l'éducation, les normes pour l'éducation et de l'agriculture, la déclaration de Maputo 8%. Aujourd'hui, quand on regarde, on vient de sortir d'une campagne agro-silvopastorale déficitaire. Ça, c'est la première des choses. L'école nigérienne, elle ne marche pas. L'accès à l'eau L'accès à l'eau, la santé aujourd'hui, le secteur public est à terre complètement. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sens pas en tant que eh, usager du service public de la santé, tu ne sens pas cette différence entre une clinique privée et un centre de santé public. Parce que c'est les mêmes frais pratiquement que vous avez. On va vous bourrer de papiers plein de, de produits que vous devrez acheter. Parfois, même les gants, vous devrez les acheter. Alors, quand on dit on élabore le budget, c'est pour le bien-être de la population. Mais il faut qu'aujourd'hui, cette population aussi puisse avoir ce retour, puisque c'est son argent. Oui, mais, euh, Comment veiller à L'efficacité de, euh, la, dépense, ça revient à l'État et les autres acteurs qu'on les, les empêche pas aujourd'hui d'avoir accès. Est-ce que aujourd'hui la question qu'il faut se poser, ceux qui sont chargés par exemple l'Assemblée, est-ce que l'Assemblée joue réellement son rôle de contrôle est-ce qu'aujourd'hui, la société civile, quand elle veut jouer son rôle de bénévolat, de contrôle de l'action publique, est-ce que cette société civile a accès aujourd'hui à, cette documentation mais c'est ça, aujourd'hui, on a vu quand même, par exemple, la, sécurité. Vous pensez qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et les autorités et les gouvernants Mais ça, c'est une réalité nigérienne. On n'a pas besoin de l'inventer. Mais ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, par exemple, quand on prend pour le plan critère. C'est cette partie qui est en train de prendre beaucoup d'argent. On a vu avec le scandale du ministère de la Défense. Ce qui veut dire qu'on injecte de l'argent pour rien. Les soldats manquent beaucoup de choses. On a vu le doute commence à révéler. Des, surfacturations, des gens se sont enrichis sur le dos du peuple. Et pire, ce que il faudrait voir dans certains secteurs, c'est c'était contractés par-ci, par-là. Aujourd'hui, vous avez vu le président a plaidé pour l'annulation de la dette. Mais nous, on va continuer à payer une dette dont on ne sait même pas comment l'utilisation a été faite. C'est pour cela il faut créer des mécanismes de contrôle efficaces à ce que l'argent public et la dépense publique puissent vraiment être professionnels aux normes de la bonne gouvernance. C'est tant qu'on ne pourra pas faire ça dans ce pays, moi je pense qu'il est très inutile de dire qu'on fait ça au nom du peuple. On ne fait pas ça au nom du peuple, mais on fait plutôt au nom d'un groupe d'intérêts. Hussein Sajibo, que faut-il comprendre au sujet euh, de ce projet de loi euh, du budget 2021 euh, Mokhtar, l'année dernière, ta vie a changé en quoi Du point de vue de l'amélioration de la qualité de ta vie, ça a changé en quoi C'est un budget, on dit ça a augmenté. Valeur relative, valeur absolue, là, c'est quoi C'est quoi Dis-moi exactement c'est quoi Ce juste des gens qui viennent, ils s'assoient, ils établissent sur la base des mêmes chapitres. On reconduit, on augmente par-ci, par-là il faut qu'on arrête dans nos pays. Il faut qu'on arrête. non. Mais est-ce que les ressources sont suffisamment mobilisées les, ressources, Quand les ressources sont mobilisées, ça profite à qui Est-ce qu'on est sorti dire, même quand il y a les lois de règlement, est-ce que ce qu'on présente aux gens là, c'est véritablement ce qui s'est passé sur le terrain On vient, on dit non, voilà le montant. chaque année, ça monte. Mais ça monte, ça change quoi Parce qu'un budget, un budget, c'est pour les citoyens il faut que ça change les conditions de vie des citoyens. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que quelque chose a changé pendant que le budget est en train de monter, est-ce que quelque chose a changé Il y a l'insécurité, il y a la maladie du Covid non, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, l'insécurité. Hein Est-ce que nous sommes seuls affectés par l'insécurité Est-ce qu'avant que ça devient pratiquement un machin qu'on sert aux gens. Voilà, il y a la situation insécuritaire qui est là, il y a Covid qui est là. Mais le palu tue plus que Covid là. Au moins, sur ça, tu es d'accord avec moi. On dit Covid, Covid, Covid. Voilà, voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs, des choses prioritaires Je ne dis pas de, négliger la maladie, mais je vais dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi quand un pays progresse, on sent ça dans les conditions de vie. Les pays nordiques, là, c'est des gens. On ne crée pas des situations pour enrichir des individus. Même ceux qui sont au gouvernement, ils ne sont pas enrichis. Si tu oses prendre un franc de, l'État, si tu ne payes pas, tu vas, tu vas payer, mais tu vas aller en prison. Les pays nordiques, quand tu prends, quand on dit ils sont premiers et tout et tout. Mais chez nous, ici, on crée des situations où des individus, du jour au lendemain, ils sortent, ils deviennent déjà importants. Et on considère que c'est tout à fait normal. Tu parles, on dit que tu es aigri. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'on peut développer un pays comme ça Est-ce qu'on peut négliger dans un pays l'école publique euh, Est-ce que la, santé publique Est-ce que dans un pays où on néglige, il y a combien de citoyens, des gens qui quittent les campagnes, qui n'ont aucun moyen, qui viennent dans les centres de santé là Ils n'ont pas accès aux soins. Les premiers soins même, ils n'ont pas accès. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse, le Parlement nigérien a examiné et adopté à l'unanimité euh, samedi 28 novembre à Niamey le projet de loi portant statut du personnel militaire des forces armées et nigériennes. Euh, ce nouveau texte vise à corriger les insuffisances constatées dans l'application des textes précédents, notamment l'âge de la retraite des militaires durant euh, qui passe de 47 à 52 ans, a expliqué le ministre de la Défense défense nationale, professeur Issoufou Katambe, au micro de Michel Deji. C'est pour corriger les insuffisances que nous avons eues dans l'application des textes précédents. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été pris en compte. Nos militaires, ils vont très jeunes à la retraite. Quand je vous prends le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les militaires de rang, ils vont à 47 ans à la retraite. Et vous savez mieux que moi, c'est à 47 ans qu'on a la force de pouvoir faire le choix. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont à la retraite. Nous avons trouvé qu'il fallait revoir ça. Donc, à partir de l'adoption de ce texte, ils vont aller à la retraite à 52 ans. Parce qu'après 52 ans, c'est difficile de continuer à aller se battre sur le terrain. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Vous savez déjà que beaucoup a été fait et beaucoup est en train d'être fait, surtout depuis que le président de la République, chef suprême des armées, a pris la décision de mettre en place le WACAF pour venir en aide aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont tombés sur le théâtre des opérations. Ousseini Sajibou, quel commentaire après avoir écouté le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, au sujet de l'adoption de ce projet de loi en faveur des forces armées nigériennes oh, Mais je pense que c'est quand même une bonne chose. Hein. Je pense que c'est une bonne chose. Il aurait fallu penser à ça depuis longtemps. Parce que c'est quoi l'armée C'est d'abord l'expérience, la connaissance du terrain. Les acteurs, ou du moins les soldats qui sont sur le terrain, il y en a qui ont connu tout ce pays-là. Ils connaissent les zones, ils savent c'est quoi. C'est au moment où tu connais. C'est à ce moment où on te dégage. On dit tu vas à la retraite. Alors que tu peux, les jeunes gens qui vont venir. Alors, alors qu'ils sont physiquement aptes. Ils sont physiquement aptes. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai un frère. Mais ils l'ont récupéré encore dans l'armée. Parce que c'est un vétéran. C'est un vétéran, il a formé, il forme dans le domaine de, comment, de, comment on appelle ça, de la télécommunication et autres. Ils étaient obligés on crée une situation. Pendant des années, on enlève les gens, on dit tu es arrivé à l'âge de la retraite sans tenir compte de ton expérience, de ta spécialité et tout et tout, qui peut servir aux jeunes gens qui vont venir. Mais on, te met, on dit bon, à partir de tel âge, tu n'es plus apte, tu vas à la retraite. C'est du gâchis. Parce que c'est une affaire de sécurité. Ceux qui sont anciens sur le terrain, ils savent le terrain, ils sont allés, ils connaissent toutes les zones. Quand ils restent dans une zone, à travers les patrouilles et autres, c'est une bonne chose qui a été faite. Moi, je pense que le tout, c'est de l'appliquer et de créer les conditions pour que, moi, je dis, ceux qui, les sacs à dos, là, ils sont plus efficaces que ceux qui vont dans les écoles. Et c'est ça un peu l'erreur où, bon, pour la promotion même, quelque part, on fait traîner ceux qui, les sacs à dos, ils, n'arrivent pas à arriver à un niveau où ils vont aller jusqu'à un, euh, certain machin. Et c'est ça qui est important. Il faut créer cette situation, mais il faut également créer la situation, comme on dit, quand les gens tombent sur le terrain, sur le champ d'honneur, il ne faut pas oublier les parents. Parce que souvent. Le ministre l'a mentionné à travers le okay. Oui, mais bien sûr, c'est important. Parce que la personne est allée. Quand vous allez sur le terrain, vous n'êtes pas sûr de revenir chez vous. Quand vous allez sur une mission, ce n'est pas évident que vous soyez. Il n'y a aucune garantie que. Vous allez revenir en vie, en, bonne santé. En bonne santé. Issa Madougou, euh, quelle est votre opinion au sujet de ce projet de loi en faveur des militaires nigériens Oui, bon, comme l'a dit Ousseini, moi je vais abonder parce que dans le même sens. Oui, parce que c'est une bonne chose. Parce qu'en en fait, 47 ans, moi je trouve que même c'est une discrimination. Pourquoi 47 ans une personne devrait aller Surtout quelqu'un qui opère dans le domaine de la sécurité et de la défense. C'est à 47 ans, on n'a même pas cette fois 7 pour avoir 49 ans, comme le dit certains savants, que le corps change 7 fois. Donc déjà, la personne est apte vraiment à toutes les capacités, s'il est en bonne santé, de pouvoir exercer correctement ce qu'il est en train de faire. Avec les années d'expérience, je pense qu'aujourd'hui, mais c'est pas encore suffisant. Moi, je pense qu'il faut même aller jusqu'à 55 ans. 52 ans, je trouve vraiment encore que ça reste. Il faut aller encore un peu. 55 ans. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi Le monde, le système, euh, la sécurité et la défense en train de, de connaître une mutation, puisque on assiste à une nouvelle forme d'insécurité. Il y a le renseignement. il y a le renseignement et la guerre, ce n'est plus les guerres conventionnelles. Aujourd'hui, tout le monde sait que aujourd'hui, nos pays sont confrontés à une nouvelle forme de guerre, à savoir le terrorisme. Alors, Avec son caractère asymétrique. Asymétrique. Et donc, <coughs> il faudrait des gens de l'expérience. Parce qu'il faut combiner les deux. Ce qui se faisait avant et aujourd'hui, comment affronter cela réadapter les systèmes qu'ils avaient déjà et l'expérience. Moi, je pense que ça, ça peut vraiment régler cette situation. Maintenant, je parlerai de, des conditions de vie ça aussi vraiment il faudrait revoir la solde. Les revenus Non, les revenus doivent être vraiment revus à la hausse. Maintenant, moi je parlerai d'un autre point le, pour le sort des, des, familles, des soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur. On a dit qu'on a créé le WACF. Moi, je ne comprends rien. Mais mon, mon point de, point de vue personnel, on doit faire du terre à terre aux Nigériens pour que les gens comprennent. C'est quoi ce WACF nous, c'est un concept qu'on est en train de nous bombarder dans la tête. Chaque jour, ça, les ça a été suffisamment expliqué. Expliquer, Mokhtar, c'est quoi On peut sortir, regrouper des fonds au trésor. On dit, par exemple, pour chaque famille, voilà la pension que la, la personne va toucher. Maintenant, après le décès, on dit, voilà tel montant. C'est une nation. On n'est pas dans un marché, on peut tout définir par une loi. Chaque famille, en fonction du nombre de femmes et d'enfants que la personne a, on définit un montant qu'on donne déjà après le décès. Parce que c'est le pilier de la famille qui vient de disparaître. Alors qui pour prendre en charge cette famille Pour que cette famille puisse se, se relever, être résiliente face au choc de la vie, il faudrait un appui direct. Maintenant, il y a encore cette pension qu'il faut revoir, qu'il faut accorder à la famille. Mais cette histoire de work, work, work, on ne sait pas. Moi, c'est mon point de vue personnel. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller dans des trucs, on dit c'est l'innovation. Je ne suis pas contre l'innovation. Mais aujourd'hui, pour l'orphelin de ce militaire tombé, ou bien la veuve de ce militaire tombé, elle veut du direct. Parce que, regarde, que, regarde ce que vous. Il y a certaines choses que vous ignorez peut-être. Quand vous voyez ce qui se passe dans les casernes, parfois, le mari tombe sur le champ d'honneur. La femme ne sait même pas ce, comment elle veut, comment assurer pour quitter même le, caserne. Quelques mois après, quelqu'un vient pour lui dire non, cette maison m'a été attribuée. Cette maison m'a été attribuée, il faut que vous déménagez rapidement. Vous voyez, s'il y avait ce fonds direct qu'il y a, où on donnait à la femme, et il faut aussi créer les conditions pour faciliter l'accès aux maisons aux militaires. Moi, je pense que tout ça, on n'a pas besoin de rentrer dans des discours euh, révolutionnaires, innovants, ou bien comment on les appelle. Non, il faut aller du direct parce que quelqu'un qui est éprouvé, il ne peut pas comprendre le WACF on dit qu'il y a un investissement. Pour quelqu'un qui n'arrive même pas aujourd'hui à manger, comment on va lui parler d'investissement Il va comprendre comment. non soyons réalistes quand on prend certaines décisions et conformons-nous à nos réalités. La réalité nigérienne est là, même si on veut faire du bien, c'est vrai mais il y a certaines choses qu'il faudrait réadapter à notre contexte pour que va revenir ça vers puisse vous. servir. ça, on va revenir vers vous, Mahmoud Quels sont les autres avantages euh, de ce projet de loi pour les militaires et leurs familles euh, J'ai suivi le ministre de la Défense. Euh, oh, franchement, il faut le féliciter. Il faut féliciter le gouvernement de penser vraiment à... Je pense qu'ils sont véritablement en train de poser les jalons d'une vraie armée le ministre de la Défense avait dit aujourd'hui, on n'a que 25 000 hommes. Il dit, mais lui, il a dit qu'en réalité, ce n'est pas une armée, 25 000 hommes pour, euh, voyez, 22, 22 millions. Parce que les armées aujourd'hui, quand vous considérez, quand le, euh, le classement de spécialisé en sécurité de Global Firepower, voyez, vous allez voir que euh, les armées, c'est d'abord euh, l'effectif. l'effectif, justement, les infrastructures, les armes. Euh, vraiment, c'est. Par exemple, euh, l'Égypte, en Afrique, elle fait partie du top 10 de l'armée du monde. Et l'armée égyptienne a 940 000 personnes, autrement dit presque un million d'hommes. Vous voyez Donc, c'est dire que, vous voyez, quand vous parlez les pays comme le Nigeria, en tout cas l'Algérie, en termes de moyens matériels, les, avions, euh, euh, absolument, l'artillerie, c'est ça qui fait une armée. Donc euh, le ministre a clairement dit que maintenant, ils ont conçu un projet, l'armée bientôt va passer, donc ils vont doubler l'effectif et à de 25 000, on va passer à 50 000. effectivement, dans ce sens, Mahmoud au cours de cette plénière, le ministre de la Défense nationale a informé les parlementaires de l'ouverture à partir du 1er janvier 2021 d'une école de formation d'état-major au Niger. Justement, là, il a dit qu'effectivement, c'est parce que nos militaires aussi sont défavorisés. Ceux qui veulent avancer. Au de, la formation. Avancer dans leur carrière ils sont bloqués. maintenant, donc, en, en école d'état-major au Niger, c'est effectivement une possibilité de donner, en tout cas, à nos militaires donc, de faire leur carrière. Euh, vous l'avez dit en amont, justement, permettre aux militaires, justement, de. Parce qu'il faut le. C'est comme l'enseignement un moment le, fameux projet où l'enseignant va à la retraite pendant qu'on a besoin de lui. C'est un peu ça Absolument. Donc je suis tout à fait d'accord. Il y a donc euh, cette réflexion, en tout cas, il faut non seulement donc euh, envisager donc euh, booster les ressources humaines au sein de, l'armée, mettre en, tout cas les moyens conséquents donc à tous les niveaux. donc c'est ça qui va faire, en, tout cas, vous l'avez dit, on a un territoire très vaste. Donc euh, je pense aussi, c'est une question de sensibilité. Il faut que les, aussi se disent que... Parce que le ministre a dit que on voudrait que aussi les jeunes gens... Euh, parce qu'il a dit, à région aussi, par exemple, les, centres d'instruction, on a que deux, un ami à Zander. Donc désormais, ils veulent dans tous les huit régions qu'il y ait des centres d'instruction. Et cela va permettre justement aux jeunes gens, euh, il dit qu'il faut que les jeunes gens envisagent l'armée comme aussi une voie pour carrière, absolument comme un métier. Donc, euh, je pense que c'est, en, tout cas, ce projet de loi est vraiment très, très intéressant. Il faut l'encourager, il faut véritablement, euh, donc, dire que nous avons besoin effectivement que notre armée, déjà, quand il faut le reconnaître, l'armée du Niger, en tout cas, dans le classement de ce, spécialisé, en tout cas, elle est très bien, bien cotée, donc, mais on se rend compte que, comme il l'a dit, avec 25 000 hommes, euh, cela n'est pas vraiment un facteur euh, favorable. Donc euh, je pense que l'autre débat aussi au, nouveau niveau donc de, de, de, de, de l'armée, c'est aussi considérer que face au contexte au contexte actuel, donc nous pensons que les leçons ont été tirées et que là on s'engage véritablement pour pour surmonter en tout cas cette situation où franchement à un certain moment on pourrait considérer que euh, même le, le mort de, de, pourrait être atteint. Donc, il va falloir véritablement faire confiance à, au projet de Katambe, l'accompagner. Et je pense que ici, c'est pas de la spéculation, la défense d'abord. Puisqu'en réalité, on sait, quand vous regardez le budget, la défense d'abord, le budget alloué à la sécurité, aujourd'hui, ces dernières années en tout cas, il est plus déterminant par rapport aux autres budgets. comment faire pour qu'il n'y aura plus les guettes là au ministère de, la euh, Défense Ce qu'il veut faire, c'est justement asseoir une bonne gouvernance, que effectivement toute la structure du contrôle que chacun, chaque, chacun, chaque institution en tout cas puisse jouer son rôle. C'est comme ça véritablement sanctionner parce que cela veut dire quoi Que désormais, parce qu'il y a une avancée euh, suite à ce qui s'est passé, en tout cas on le sait aujourd'hui, en tout cas officiellement il est dit que désormais, même le ministère de la Défense, en tout cas tous les marchés feront, en tout cas qui ont un certain montant, vont passer au, en conseil des ministres comme tous les autres marchés. Cela veut dire quoi On sait que vraiment c'est pas, pas facile, c'est théorique parce que quand même certaines questions d'urgence, en tout cas de sécurité, il me paraît difficile qu'on puisse venir, en tout cas, parler de ça, parler de l'OTAN. c'est un peu délicat, mais je pense que le, principe, l'attente, en tout cas, des Nigériens, ce qui s'est passé donc, euh, dans le scandale de la ministre de la que cela ne puisse plus se reprendre. Issa coup rapidement, vous avez 30 secondes. Oui, j'ai juste deux points seulement par rapport à ce que l'argent soit utilisé d'une manière rationnelle. Ce n'est pas que à l'âge les institutions ne marchent pas. Les institutions de contrôle marchent très bien, mais c'est la sanction qui n'existe pas. Mais il faut sanctionner. Maintenant, pour rendre à ce que les jeunes puissent être attirés de l'armée, il faut qu'on arrête de rendre nos militaires misérables. Il faut qu'on revoie leur soldes. Comment quelqu'un peut choisir être dans l'armée et faire de ça un métier pendant qu'il voit les autres qui sont là, qui sont misérables Quand la personne part à la retraite, la personne n'arrive même pas à se venir à ses besoins. Créons les conditions pour que ceux, ces Nigériens-là qui font le choix de servir dans la défense et de la sécurité ne puissent pas être misérables. Que les grands ne mangent pas les petits. Que ceux qui méritent, que la méritocratie doit être des normes doit respecter progressivement. Vous avez quelque chose à ajouter ah, Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce qu'il a dit, ça résume ce que j'avais en tête. Parce que le problème, c'est ça, c'est la misère. Vous allez partir, vous exposez votre vie. Toute votre vie, vous êtes exposé. À la fin, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez même pas vous acheter à manger. Célébration le 30 novembre dernier au Niger de la septième édition de la Journée nationale de la liberté de presse avec euh, pour thème journalisme en période électorale, promotion de la culture de la paix, coexistence pacifique des populations. Elhaj Mohamed Suleiman, au-delà de cette thématique, euh, comment se porte euh, concrètement la liberté de la presse au Niger? La liberté de la presse au Niger, euh, à mon humble avis, tout est relatif. Euh, mais je constate quand même. Euh, tout est relatif, c'est-à-dire C'est ce que je suis en train de vouloir préciser. Quand je regarde les chaînes de télévision, je parle des journaux nigériens, il me paraît évident que la presse est totalement libre. Totalement libre. Donc, de ce point de vue-là. Ce une bonne chose, selon vous C'est important, parce que nous sommes en démocratie lorsque effectivement les gens n'arrivent pas à venir sur les médias dire ce qu'ils pensent de manière contradictoire, on pourrait juste effectivement ne sommes pas en démocratie. Mais de ce point de vue, nous en tant qu'acteurs, nous lisons nous-mêmes ce que nous écrivons, ce que les autres écrivent. Euh, donc de ce point de vue, il n'y a rien à redire, c'est déjà comme une avancée euh, d'un point de vue tout simplement des, libertés. Maintenant, euh, l'autre aspect, vous avez avant-hier, on a célébré la journée nationale de la liberté de la presse j'étais à la maison de la presse, qui est désolant. Euh, il y a quelques étudiants qui, il y avait vraiment, euh, en tout cas, un débat qui était vraiment suscité sur vraiment la thématique très intéressante, mais aussi qui nous permet de nous autocritiquer, de parler de nos problèmes en tout Vous cas. Voulez dire des insuffisances. Mais il y avait tout sauf les journalistes. Euh, il y avait ceux de Arge et, Maman Jaffar qui, qui, va amener justement ce, ce, panel. vraiment, le constat est fait, justement, et c'est pas seulement cette année, les journalistes, en tout cas les acteurs des médias, ne sont pas dans une, dans, une, euh, posture dialogique. Comment, euh, comment euh, expliquer ce état de fait Tout simplement, le manque d'intérêt, certainement aussi. Et ça qui explique justement le fait que on voit du n'importe quoi. Parce que le jugement des pères, quand on vient entre nous, on se dit les quatre vérités, euh, et la confraternité, vous voyez, ça, ça, ça, a pris un coup. Mais je, je dis qu'en tout cas, la presse au Niger, euh, c'est comme toute la presse quand ceux qui voyagent. Euh, j'entends souvent le fait de dire que la, la presse est un peu euh, <laughs> bipolarisée. Non, quand c'est un peu partout comme ça. Même au, je veux dire au Nigeria, ici, aux États-Unis, en fait, la grande les grandes démocraties, les journaux ont des lignes, euh, en tout cas éditoriales, euh, <coughs> mais le plus important, c'est le respect du, euh, de, la conformité des, principes déontologiques. Donc, donc, vous voyez, nous sommes ce que nous sommes, mais je pense que lorsque les journalistes, les acteurs ne sont pas prêts véritablement à, créer un cadre. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous, on a des difficultés, par exemple, pour la convention collective dont on parle toutes les années, mais les gens ne viennent même pas pour discuter, pour que ça puisse avancer. la, publicité, donc aussi, au niveau de la presse indépendante dont on parle, mais lorsque les acteurs ne sont pas là pour revendiquer, parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, lorsque vous payez un journaliste 25 000 ou 50 000, vous lui demandez de, tout faire le message du journalisme. Et ces problèmes sont, sont, réels. Donc, je constate que nous avons des problèmes réels, mais les hommes des médias ne sont pas capables, en tout cas, de se fédérer pour mettre en avant vraiment leur carrière, en tout cas défendre leur intérêt. Et ça, je pense que c'est un problème réel de la presse nigérienne. Issa quelles sont les attentes des Nigériens vis-à-vis des journalistes, surtout en cette période électorale Je pense que c'est très clair, c'est pour cela qu'ils ont choisi ce thème-là. Parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte électoral, de quoi a besoin la population Une information saine, vérifiée. Déjà qu'il faut, au niveau de la collecte de l'information, qu'on respecte les critères de base. Il faut vérifier. La rigueur. La rigueur, il faut vérifier chaque information. Il faut que la source soit vraiment une source fiable. Maintenant, dans le traitement, bien traité et la diffusion aussi, qu'elle ne soit pas une diffusion vraiment euh, séquestrée pour une partie des Nigériens. Aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas dire seulement les médias. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on ajoute quelque chose aussi à ce thème. Les réseaux sociaux. ces enjeux-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème des médias. Le travail de journaliste est en train d'être perverti par ces acteurs qui se disent que je n'ai rien contre les utilisateurs, mais il y a certains utilisateurs, quand une personne n'a pas le courage de s'identifier à travers son profil, passe par un faux profil pour faire des écrits et se faire signer par le nom d'un autre c'est vraiment malheureux. Au-delà du journalisme, au-delà d'être blogueur, d'être utilisateur des réseaux sociaux, ça appelle à notre moralité et les valeurs nigériennes que nous incarnons. Le Nigérien n'est pas ce type d'individu. C'est une personne morale qui a des valeurs, qui, qui a des qualités comme l'honneur qu'il défend et sa dignité. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment déplorable. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire extrêmement attention. Parce qu'au-delà de nos positions, que ce soit politique, économique, tout ce qu'on veut, il ne faut pas oublier que nous venons d'une même nation et qu'il y a des valeurs que nous devrons préserver. Notre dignité avant tout. Aujourd'hui, quand on dit les médias, les médias sont en train de faire leur travail. Mais on a vu les réseaux sociaux sont venus détruire tout en même temps. Tout, ce qui fait, qui, qui, qui pince le cœur sur le fait que c'est du faux cette personne qui fait du faux, qui crée l'amalgame. Ça comment amener les Nigériens à, faire confiance à la, presse nigérienne C'est aux journalistes que ça revient déjà. C'est pas aux Nigériens. C'est le journaliste d'abord. Quand tu es sûr de ce que tu es en train de faire, tu sais que tu ne manipules personne. Tu sers la bonne information crédible, utile à la société. C'est toi le journaliste. Ce n'est pas celui ton, le public que, pour lequel tu. C'est vrai. Quand tu écris, tu finis ton travail, ça ne t'appartient plus. Ce n'est pas pour toi c'est à la place publique. Mais avant que ça soit sur la place publique, assure-toi de faire un bon travail. Parce que le journalisme est encadré, est bien encadré. Nous avons la déontologie, nous avons l'éthique. Sans oublier d'autres textes qui encadrent pour que ce travail soit bien fait. Donc ça commence d'abord, c'est la responsabilité du journaliste qui est en jeu. Si le journaliste n'est pas responsable, il peut produire tout. On a vu, les exemples sont là, où c'est des journalistes qui ont fait péter des situations. Mais moi, je aujourd'hui, ce n'est même pas le journalisme. Parce que parfois, on ne sait même pas qui est journaliste. Tout le monde peut se lever aujourd'hui pour dire qu'il est journaliste. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit des écrits. Oh, personne n'est en sécurité avec les réseaux sociaux. Personne n'est en sécurité dans ce pays. Issa, la maladie du coronavirus a négativement impacté euh, beaucoup de médias nigériens. Comment tirer les leçons au sujet des conséquences de cette maladie Mokhtar, tout à l'heure, Alain Suleiman vient de dire une chose importante. Ça a impacté, ça a impacté parce que quoi Parce que les journalistes parlent des problèmes des autres, ils ne parlent pas de leurs propres problèmes. Un journaliste est mal payé. Tu es mal payé. Ou c'est le matin, tu t'es réveillé, tu vas chercher ton gagne-pain, tu vas chercher où tu vas trouver 5 000 francs pour amener à la maison. Est-ce que ça, c'est une raison s'il te plaît, s'il te plaît, c'est une profession noble. C'est une profession noble. Si les gens créent les conditions, la convention collective, à cette date encore, moi, j'ai commencé à travailler sur la convention collective en 97. Le, premier lancement, en 97. Depuis lors, chaque fois, on est en train de dire non, il faut qu'on dise qu'on crée la situation parce que, avant tout, ce métier-là, c'est un métier qui est difficile. Ah. Mais les gens ont leurs propres problèmes. Ils parlent jamais de leurs problèmes. Ils sont là. Ils parlent des problèmes des autres. Ça ne va pas, ceci, cela, voilà. Mais ton propre problème, ta survie. Peut-être que c'est un processus de longue haleine. Quel processus de longue haleine, s'il te plaît Quel processus C'est ton quotidien. Tous les jours, tu as besoin de manger, non Tu ne manges pas Quand tu n'es pas en mesure de défendre ton pain, mais tu considères que de l'autre côté, tu peux aller t'engager. Est-ce que c'est réellement pour un problème de pain C'est quoi alors C'est quoi Si ce n'est pas un problème de pain, c'est quoi C'est quoi qui te fait sortir de chez toi C'est pas le pain Alaji Mohamed Suleiman, comment éviter ou faire face aux fausses informations qui circulent surtout sur les réseaux sociaux en cette période électorale euh, Pour faire face, euh, d'abord, hein. d'abord euh, il me paraît évident que l'application de la loi sur la cybercriminalité, c'est une nécessité. Ce n'est pas en réalité. Les gens ont vu que euh, c'est une, loi liberticide. Non. Le danger, l'insécurité à laquelle justement les pratiques des réseaux sociaux exposent les citoyens. Il y a aussi la liberté d'opinion, euh, d'expression consacrée par la Constitution. la, en plus de la loi, il y a aussi que la vigilance au niveau de chacun et de tous. Lorsque vous voyez une information sans vérifier, vous la partagez, mais vous pouvez être frappé par la loi. Donc, il y a euh, un certain nombre vraiment de, règles, en tout cas de comportement, et aussi faire confiance euh, à, la, presse traditionnelle. Je veux dire que euh, quand Est-ce que c'est, pas sûr, pas parce qu'il y a un vide que les gens se rabattent sur les la la vérité, c'est que la viralité de l'information des réseaux sociaux l'instantanéité fait qu'en il s'impose. Il publié avant, vous voyez quoi, avant, les médias. Et aujourd'hui, nous avons augmenté le boulot parce qu'on passe tout notre temps à vérifier les fake news. Alors qu'on doit faire autre chose. <laughs> rapidement. Aujourd'hui est devenu une spécialité pour les hommes des médias parce qu'il faudrait vérifier tous les faits. Mais au-delà de ça, moi je pense que l'âge, c'est vrai, il faut appliquer la loi, mais il faut l'appliquer vraiment pour que les gens sentent qu'il y a justice. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est du n'importe quoi à cause de l'opinion de la personne ou bien de sa position, il est harcelé, il est Non, moi, je pense que chacun doit être libre dans ses prises de position. Mais pourquoi aujourd'hui on voit cela On est, on est en train, c'est une décadence de nos valeurs. Il faut faire extrêmement attention. Au-delà de tout ça, quand il y a l'arsenal qui est là, mais il faut savoir l'appliquer. Il ne faut pas que ça soit une loi sélective. C'est ça aussi le problème de, dans ce pays. Il y a la loi qui est là, on dit, OK, la loi est là pour réguler. Mais vous allez voir, ça frappe d'autres Nigériens, ça frappe pas d'autres Nigériens. Pourquoi Parce qu'il y a des super Nigériens et des Nigériens qui ne sont pas comment eux, ils sont exemptés de toute sanction. Il faut l'appliquer pour que ça touche tout celui qui est fautif par rapport à cela. Les réseaux sociaux, Aujourd'hui, on devrait l'utiliser dans nos... Je vois des jeunes, ils sont à féliciter ces jeunes Nigériens qui mettent à profit ces réseaux pour développer leurs capacités, pour développer leur entreprise. Ils sont à féliciter. Et c'est ces jeunes-là même qui méritent les investissements là qu'on parle, l'accès à la facilité pour développer Voilà, nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités. El Hajj Mahmoud Suleiman du journal en ligne Niger Inter, Issa Madougou, journaliste indépendant, et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre euh, sur les 45 radios partenaires Dissidio Kalangou le programme L'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 euh, samedi, le forum en Hausa sur euh, les musées du Niger et dimanche, le forum en Zarma euh, sur le mariage des enfants au Niger en pleurs et de recours. Merci aussi à la technique côté son assurée par Abdelkader Chombiano et à la réalisation Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.